responsable APR Thiès waaw euh, solo déclaration bi mooy euh, dañu gis euh, démb ñu teg gouvernement pour ici Sénégal gouvernement avec qui ki ko di premier ministre gouvernement bi nag nekk cinq mois avant les élections ñu Japonais, ni gouvernement bi li ci ëpp gouvernement bi aussi tamit pour situation politique bi Sénégal Japonais, le ni gouvernement bi am lu ci war a dox lu bari ci régler problème yi Sénégal ñu gis ni Thiès dañ ko laisser en rade parce que avez le département Thiès bassin électoral parce que si vous deux participé plus de 104 000 électeurs ces élection réélection du président Macky Sall le bassin est là nous gouvernement bi dañu laisser en rade nous ñu ni parce que situation actuellement électorale électoral lañ soxla présidentielle raw là. kon cees fu toll noonu kenn waru ko woon a léger ñu ngi demandé nag président de la république Macky Sall ak premier ministre Amadou Ba ñu gën a renforcer Thiès parce que cees actuellement li muy dund métti na parce que am na ñu nekkoon ci ñun dem nañu ñii ànd na nag yeneen candidats yu nekk ci kii kon bu ñu dem situation yu mel ñu aussi tamit ñu gis ñu ñu ni gën a affaiblir ci bi loolu jàpp naa ne du lu jëmale Thiès kanam daal. li may wax hmm. dama wax ak yow au niveau du APR Thiès ak ci bi ñu nekk Thiès boo xoolee département bi. Euh, ku gagné ku bala nga gagné ak département bi da ngay am da ville ville bi moy ville bi lan dara parce que Thiès boko ko gagner, gagné da ngay collectivités locales yi fi def nga gagné communes eh, trois communes yi gagné Thiès gagné département Thiès kon ville Thiès dafa euh, électorat bu am doole fi le département bu Thiès kon euh, ville bu mel nonu kenn ko ba pare nak ñu am fi ay adversaire de taille

lu jëm ko mën a yokk loolu moo gën a ñu ñu gën a waa gëm naa ni am na euh, tuuti euh, yoo xam ne bu ñu ko rectifié ndam war na mën a am parce que aussi tamit président Macky Sall liggéey na am na bilan si réew mi loolu kenn werantewu ko parce que bu ñu waxee ni gouvernement bi bu ñu waxee ni amadu Ba candidat da continuté la loolu li ko waral mooy dañu président bi mu ñëw dafa am programme bu mu fi tegoon muy PSE loolu japp naa ni balaa élection yi di ngeen gis lu bari dinañ wane lu bari li ci président réalisé te ñu bari déjà gis nañ ko yaakaar naa ni loolu sénégalais yi gis nañ ko tek nañ ci seen bëtt buñ ci taxawé pour continuer loolu sénégalais yi war nañ ñu joxaat parce que bo gisee Thiès li tax mu gëna metti sax dañ lay wax pendant 12 ans mi ngi fi mais bo xolé élection yi ñu fi gagné bari wul motax dañuy wax tubaab day wax chaque jour équipe ki gagne, kenn du ko mais équipe bo xamanteni aussi tamit day perdre ñoñu dañ leena wara changer wa changé waaw y a des jeunes yu nekk ci compétents Ah, am ay responsabilité man dara nan leen dooleel topp seen ginnaaw ñu jiital leen boo defee ndam li ñu soxla parce que électorat Sénégal li si ëpp solo fi ne ne ay jigéen ñi la ak jeunesse bi boobu nag seen moroomu jeunes yi ñoo mën a wax ak ñoom loolu moo tax ñu bëgg ñu gën a dooleel jeunes yi pour ñu mën a dem xeexi pour jëli victoire bi à Thiès quoi non xam nga xam nga li ñuy wax ni ku soxla boo koy boo koy gunge bu dawul doo daw kon fii tëkku ak menace mënu fi nekk parce que ñun doxuñu si loolu sax parce que li ñuy def nii dañuy indi suñu xalaat jàpp ni buñ ko defee lolu moy li gën ci Thiès pour ñu mën a parce que nit aussi tamit bokoy koy wala nga koy jabal fenn dang koy jox ay armes voilà armes yoyu yoyu lañu soxla pour mëna jakarlo gaay ci terrain bi kon mën koo indiwaatal élection euh, ñun euh, comme d'habitude rek dinañ ko def comme duñ ko daan defee fexé ba indi euh, parrainage bo xamné parrainage bu réel parce que man nga indi dix mille parrains ba paré bo démé ci élection yi do am 5000 votants kon lolu aussi tamit amul njariñ parrainage bi li si ëpp solo mooy fexe ba dem convaincre nit ñi parce que mode de campagne la convaincre nit ki lay voteel ba pare nga jël parrain yaakaar naa loolu moo ci ëpp solo dinañ fexe daal ba jël ko def ko au sérieux waaw ba nga xam ne li ñu parrainage yi ñuy indi vraiment bu nu le jour ji dinañ mën a am électorat bu toll waaw loolu ça veut dire que nit la kenn xamul nu mu mel parce que ñoom ñu bari dañ doon wax Macky Sall ñoo ko joxoon carte blanc ni ko tànnal ñu ko ñu tànnal doy nañu te Macky Sall aussi tamit toogul rek tànn ki ko neex dafa xool ki nga xam ne moom moo a indi continuité ci programme bi mu tegoon muy PSE mu tan ko te lool bo gisee majeure partie bi ànd nañ ci mais ñi nga xamante nak peut-être amna ci ño ñoo sen intérêt personnel la wala sen digënté nit ak nit mo tax ñu ñu dem and ak keneen mais vraiment bu féké réalité rek ngay xol ak dëgg di nga xam Amadou Ba moy meilleur profil pour Benno Bokk yaakar pour élection 2024 yi quoi. que militant APR. parce en fait on ne dirait pas que nous ne sommes pas contents, mais nous sommes vraiment désagréablement surpris par le gouvernement Amadouba II. Parce qu'on ne peut pas comprendre une circonscription électorale aussi vaste que Thiès, qui contient 12 collectivités territoriales, 12 collectivités locales, avec 104 000 électeurs, ne parvient pas à avoir un ministre. Surtout qu'au niveau de la ville de Thiès et du département, nous avons des adversaires de taille. Je ne veux pas les citer, mais je cite simplement Idrissa Seck Tcherno Alassane Sal et tant d'autres, le maire de la ville, Adjoumou Soumaré, etc., etc. Donc nous, apéristes de Thiès, nous, militants de Benno Akar, mais je dirais même apéristes, surtout, nous sommes vraiment désagréablement surpris par la publication de cette liste gouvernementale. Ça compte, ce n'est même pas le un tiers de fatigue, ce n'est même pas le un tiers de Podor. Et donc je dirais, nous lançons un appel solennel au président de la République pour qu'il soit plus regardant par rapport à Thiès. Thiès est une réalité incontournable à Thiès. Thiès est un grenier électoral. Thiès a beaucoup participé pour l'APR et pour le Benno Bokoyakar. Thiès est une ville historique, politiquement parlant. Nous ont un ministère plein, de plein exercice. Antoine Diom, nous, savons très bien que mais les approches sont différentes, les paradigmes et les approches sont différentes. Donc, et, et si vous le constatez bien, il y a d'autres ministres qui sont beaucoup plus politiques que lui. C'est vrai, nous apprécions sa nomination, mais au niveau de la ville, nous, nous parlions de la ville. 104, 110 000 électeurs, c'est pas rien. C'est important, c'est colossal. Et les directions ne suffisent pas. Il faudrait que le président de la République, franchement, regarde encore Thiès et tient en compte cette réalité électorale. C'est ce que nous disons. Oui, c'est ce que nous cherchons, des ministères de plein exercice, parce que c'est ce qui fait l'affaire. Certes, nous avons des directions, nous avons, etc. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre sans des armes. Il nous faut des armes. Et quel que soit le volume d'armes, ça ne suffit pas. Il nous faut des, ministres de plein, plein potentiel, de plein exercice. Il nous faut encore des directions. Thiès est incontournable pour la conquête du pouvoir en 2024. C'est à portée de main et même on peut se rattraper pour ce gap. Ça, nous le savons tous. Il s'agit simple, simplement de mettre la main à la patte et de travailler davantage avec une coordination des énergies, avec une harmonie des cœurs, et nous pouvons encore reconquérir notre bastion électoral. Mhm. Thiès n'appartient à personne. Non, on ne change pas tout, mais il faut des entrées et des sorties. Il faut un renouvellement de la classe politique thiessoise. Des jeunes comme Diagawad sont là, des jeunes comme Pam Malik sont là, des jeunes comme Mamadou Ndiaye sont là, et d'autres jeunes qui ont autant de bons profils. Bombo Diop est là, etc. etc. Nous, nous ne rejoignons pas le, euh, donc le bébé avec l'eau du vin, l'eau du bain du moins. Nous ne rejetons personne, mais il faut encore du sang neuf pour cette bataille électorale. Parce qu'en 2024, il ne s'agit pas simplement d'élection, mais c'est une bataille rude. Et il faut des jeunes compétents, des jeunes qui ont qui sont vraiment de notoriété, comme Gagawad, qui a fait d'excellents résultats au niveau des élections locales, pouvons réussir, mais surtout avec la nomination et l'implication des jeunes. Ça, donc, nous, nous lançons encore une fois et mon dernier mot, c'est de lancer encore un appel solennel, amical au président de la République parce que nous sommes des militants apéristes dévoués. Nous sommes des militants de première heure. Et personne ne connaît, ne connaît la paire de Thiès mieux que nous. Et c'est ça la réalité. Que, dire euh, à vos autres camarades euh, quand même qui ont quitté, qui n'ont pas voulu euh, porter la candidature de Amadouba nous leur tendons la main. La La paire et le ben non, c'est une famille. Mais je parle de la paire d'abord. Nous leur tendons la main. Nous sommes tous pour la continuité, la continuité du travail extraordinaire du président Macky Sall. Et si nous, nous partons en, lambeau, si nous partons du moins en ordre dispersé, mais ce n'est pas, pas rassurant. Nous leur tendons la main encore une fois. C'est un dernier cri d'alarme. Et franchement, ensemble, nous pouvons gagner. Et dans la discorde, écoute, on ne garantit rien encore une fois, nous le tendons la main à rejoindre le parti qui leur a euh, qui le, euh, le parti qui leur appartient en fait.